le forum du studio forum forum forum forum forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Vous pouvez suivre les programmes du studio Kalangou à Niamey et dans l'ensemble des chefs-lieux de régions à travers le réseau de radio partenaires. On peut ajouter à cela d'autres localités comme Arlit, Filengue, Berningaure, Tirozirine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel, Menesoroa et Saï. Le forum de la presse, nous y sommes pour décrypter l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale, des confrères qui sont invités pour commenter ce qui s'est passé donc euh, dans la semaine. Nous avons retenu pour vous l'affaire dite Africard, l'affaire dite bébé importé et la lutte contre la corruption au Niger avec l'opération Meboulala du président de la République. Quelques illustrations avec le secteur éducation, des enseignants munis de faux diplômes ont été révoqués et des réseaux de fraudeurs mis à nu dans certaines écoles de Niamey. Nos journalistes invités aujourd'hui, Elage Suleiman Mahamadou, journaliste au, journal Le Républicain, à ma droite. Bonsoir Suleiman. Bonsoir. Et merci d'être venu. À ma gauche, euh, Rufai Dandoua, journaliste à la télévision Liptako. Bonsoir Rufai. Bonsoir. Et merci d'être venu. C'est un plaisir. Nous attendons d'une minute à l'autre Ouseni Issa, qui est journaliste indépendant. Oui, euh, l'actualité cette semaine est dominée par les commentaires sur l'affaire dite Africard, l'affaire Defray, en tout cas la chronique au Niger. Elle remonte pendant la transition militaire en 2010-2011. Il s'agit d'une bataille judiciaire qui oppose Africard, une société étrangère, à l'État du Niger. Tout est parti d'une décision de l'État du Niger de résilier ce contrat qui le lie avec cette compagnie Africard pour l'édition de passeports biométriques. Je vous proposer d'écouter le coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, Ali Idrissa, qui nous donne des précisions sur ce qu'il sait de cette affaire. Il s'agit d'une affaire où l'État du Niger a volontairement suspendu un marché qui a été donné à une compagnie africaine pour l'édition de passeports biométriques. Ce qu'il faut retenir dans cette enfer est que quand même il y a de graves implications de certains agents et cadres de l'État. temps plus qu'ils savent bien les conséquences ou bien les procédures pour pouvoir suspendre un marché octroyé. Et tout le monde sait qu'il y a eu des tractations pour amener quand même le Niger à revenir ou bien même à ne pas aller aussi loin dans cette affaire. Et aujourd'hui, l'affaire est devenue une affaire d'État parce que vous imaginez que tout ce qui peut être bien du Niger, immeuble à New York notamment, à Paris et même l'avion présidentiel sont sous saisine. Et pire, ils ont eu raison ici devant les juridictions nigériennes. Et plus loin, ils sont partis à Abidjan au niveau de l'Ouada pour encore faire en sorte que le Niger soit condamné. Et plus loin, maintenant, ils sont partis en Europe et en Amérique pour pouvoir saisir des biens du Niger. Voilà les explications du coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, à l'Idrissa sur l'affaire dite Africard. Euh, Africard a attaqué en justice et, est arrivé, selon l'hebdomadaire, pour compléter à l'Idrissa bien sûr, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, à saisir certains biens du Niger à l'extérieur la valeur totale des saisies opérées par la justice en France et aux États-Unis est de 125 à 150 millions d'euros. Si on calcule en francs CFA, c'est quelque chose de 80 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Là, Suleiman, euh, vous qui du journal du Républicain, le Républicain, vous en avez parlé dans votre parution d'hier, jeudi, et vous titrez en une affaire euh, Niger-Africard, cinglant des aveux aux conspirateurs. C'est une exclamation. Alors, euh, ça, c'est votre titre. Est-ce que, qu'est-ce que vous dites de cette affaire Est-ce que ce qui a été euh, commenté par euh, le, réseau, le, le, enfin, par Ali vous êtes d'accord avec lui que c'est effectivement cela Absolument. ce qu'il a dit est absolument pertinent de l'article, euh, en fait, il a, on a le sens de la, répartie, c'est-à-dire que il y a, il faut le reconnaître, euh, un au niveau donc euh, du gouvernement, franchement, que frise un peu le laxisme et aussi des fautes graves, en tout cas commises, parce que là vraiment, c'est très gênant de voir que quand on va dans, à l'extérieur où votre propre juridiction vous a condamné, franchement, c'est gênant. Hmm. Parce que simplement, euh, il y a des erreurs qui ont été faites et nous avons parlé, par exemple, du point de presse du secrétaire général du gouvernement, M. Gandou Zakara, effectivement, qui n'a pas du tout, en tout cas, été clair. n'était pas convaincant dans ses explications parce que simplement, euh, je pense qu'ils ont eu à commettre des, erreurs dans le processus parce qu'ils parlent d'un ministre qui aurait effectivement euh, commis des erreurs, mais en tant que gouvernement, effectivement, s'il y a quelqu'un qui a vraiment euh, gaffé, il faut savoir le sanctionner et vraiment mettre l'État dans ses droits. Mhm. Mais en ce moment, franchement, nous pensons que c'est gênant. Mais en réalité aussi, on parle de, des aveux sanglants, c'est aussi en réalité une façon pour nous de dénoncer en tant que Nigériens cette affaire-là, même si effectivement les gens ont failli il faut savoir que nous avons nos euh, contractions internes qu'on doit gérer. Mais de là, en tout cas, chercher franchement à vraiment se réjouir sur le fait que l'État va être condamné. Il y a des gens qui se réjouissent. Mais que là, franchement, c'est une affaire quand même. Mais absolument, c'est vrai. Mais y a, je ne peux pas. C'est des opinions. Euh, quand je dis que c'est pas bon, vous vous dites qu'il ne faut pas dire ça. Non, non. Ce que j'ai dit, franchement, il faut avoir le sens, euh, comme dirait l'autre, vraiment de l'essentiel. C'est-à-dire qu'en tant que Nigérien, même si, quelle que soit en tout cas la, situation, on sort du les biens qui sont saisis, c'est les biens pas les biens du président de la République, ce pas les biens du Premier ministre. Hmm. Donc de ce point de vue-là, tout Nigérien doit se, en fait euh, euh, vraiment euh, sentir un peu blessé, absolument. C'est un peu ça euh, mais franchement, je, vraiment, on a été très, très, très, très net qu'effectivement euh, le gouvernement a failli, en tout cas, le traitement de cette affaire-là n'a pas été du tout, du tout mm. euh, cohérent, franchement. D'accord. Euh, et c'est gênant. peut-être qu'on va revenir sur certains aspects de cette affaire. Roufaï, vous avez suivi le coordonnateur du réseau des organisations Rotab qui a bien expliqué, et puis Jeune Afrique qui donne des chiffres précis sur les saisines, près de 80 milliards de francs CFA. Oui, et Vous êtes gêné, comme euh, euh, Suleiman Comme Suleiman, on est, on est tous gênés. Comme tout Nigérien, on est tous gênés. Comme tout Nigérien, on ne doit pas se réjouir, comme il l'a dit. Mais je pense qu'on ne doit pas toujours mettre en avant cette idée du patriotisme pour dire que non, lorsque un État ou des gouvernants euh, ont gaffé, il ne faut pas le dénoncer. Bien sûr qu'il faut le dénoncer. Bien sûr qu'il faut ne pas se réjouir du mal qui frappe le, le Niger. Mais lorsqu'un gouvernement et frise, comme il l'a dit, l'amateurisme. Puisque moi, ce qui me gêne. Je parle d'erreur, vous, vous parlez de quoi C'est des erreurs ou bien c'est plus que ça de l'amateurisme. On ne sait même pas comment on peut qualifier ce qui se passe, puisque lorsque le secrétaire général du gouvernement sort pour essayer de défendre l'indéfendable, pour essayer d'apporter des, des, contre-vérités qui ne tiennent pas, lorsque aussi vous, vous avez cette note du, de la primature qui sort pour euh, faire comprendre que comment un journal aussi peut, être en possession d'une décision de justice, comme si on est encore dans les années 1950, je me dis qu'il y a une sorte d'amateurisme qui ne dit pas son nom. Donc, et ça, c'est. les gens doivent en parler. Même si on pense que ce n'est pas on doit en parler, on doit dire ce qui ne va pas dans un pays. Donc ça, c'est pour euh, l'affaire aujourd'hui. Oui, on va revenir sur d'autres aspects. Mhm. Euh, pour donner la parole à Ouseni, vous venez d'arriver, mais vous, Merci en, vous savez beaucoup sur l'affaire Africard. C'est un dossier que je ah, connais, c'est un ah, dossier à rebondissement. Oui, euh, c'est un, dossier. Suleiman où... parle d'erreur, de, de, non, la part non, de l'État. Non, non, non, non, non, doit pas. parler d'amateurisme, ah, vous, vous non, allez jusqu'où Non, non, en matière de gestion de l'État, on ne doit pas parler. Ça peut arriver, mais à ce niveau-là, moi je considère que, à la limite, quand on va creuser, on va trouver autre chose. Ça veut dire qu'il y a eu des comme avait dit, des, des, des, des, dessous de table et tout et tout. Qu'est-ce qu'un dessous de table Dessous de table, c'est quoi C'est que des gens espéraient tirer profit. Et c'est ça qui fait mal. Parce que quand c'est des milliards, pour un pays où on n'arrive même pas aujourd'hui à créer les conditions pour que l'enseignement fonctionne, l'enseignement tourne, l'éducation tourne normalement, la santé tourne normalement, moi j'ai dit on ne peut pas venir dire, parce que tout simplement, les gens qui ont failli, parce que moi, je peux rappeler l'histoire. D'accord, euh, on en a parlé, mais justement, pour, pour, des gens... Laisse-moi dire, laisse-moi dire, pour des affaires de 500 millions, on a vu ce qui s'était passé dans ce pays. Pour des affaires de 1 milliard et demi, on a vu ce qui s'était passé dans ce pays où il y a eu des motions de censure et tout et tout. Mhm. Moi, je suis contre qu'on dise non, non, c'est de la. Et puis, on va se Justement, à ce niveau, je voudrais bien savoir qui, qui est responsable de tout ça. et est-ce qu'il y a des complicités puisqu'on parlait des les responsables, les responsables, moi, je suis ceux qui sont chargés de la gestion des contentieux de l'État par rapport à l'affaire Africa. Je n'ai pas bien compris ceux qui sont chargés du contentieux, le SGG. Parce que moi, je ne peux pas admettre qu'on dise que dans un pays, que quelqu'un qui vient, on lui donne un marché, une société, on lui donne un marché, officiellement, on vient sans regarder même les clauses. On se met unilatéralement dans, un coin pour, euh, euh, annuler ce marché-là. Sans peut-être les clauses. Et la semaine dernière, ou il y a deux semaines, on a discuté. Moi, je considère que il faut pas. Moi, je me dis, il faut sanctionner et il faut sanctionner sévèrement. C'est bah. ça qui va donner l'exemple. Mais qui est-ce qu'il faut sanctionner mais Ceux qui sont fautifs dans la gestion. Vous, vous en connaissez dans cette affaire, c'est qui Mais moi, personnellement, personnellement, Gandou Zakra est impliqué dans ce dossier-là. C'est le secrétaire général du gouvernement. C'est le secrétaire général du gouvernement. Chargé du contentieux de l'État, il est impliqué dans ce dossier-là. Moi, je considère que c'est d'abord la. mais à bien l'entendre, il parle du ministère de l'Intérieur, oui, pas mais Le ministère de euh, l'Intérieur, il est censé gérer tous les ministères en tant que par rapport aux questions de contentieux de l'État. Oui, on va, aller avec euh, pour vous qui est responsable euh, Je pense que si, vous avez bien lu les dernières euh, parutions du journal le, Courrier, pardon, qui, qui en vraiment davantage par rapport à ce dossier-là, parce qu'il faut le reconnaître, pendant sept mois, le courrier euh, euh justement des articles euh, avec euh, des, preuves. En tout cas, le gouvernement a ignoré pendant sept mois. Il a fallu donc tout ce temps-là. Donc, mais dans les deux de, de édition du, courrier, il a effectivement changé le SGG euh, disant que, en tout cas, certes, il pose des questions, mais ceux qui lisent entre les lignes comprennent qu'effectivement, il y a, comme il dit, donc, euh, cette affaire-là. On parle euh, Premier ministre aussi. bon, moi, je pense qu'il parle de, de, dessous de table là. Ça, vraiment, on comprend, en tout cas, même quand, quand on lit, même ce matin, quand je lisais le, le courrier, effectivement, je me dis qu'il y a même une grave affaire à l'interne, au niveau, en tout cas au sein du pouvoir, qu'il faut, qu'il faut régler. Pour savoir ce, qui s'est passé. Il y a d'abord la première, la première euh, gaffe qui a été faite par l'ancien ministre de l'Intérieur, c'est, pour ne pas le nommer, c'est Abdelabou, euh, c'est lui qu'il s'agit. Donc, c'est lui qui a géré cette affaire-là. Donc, euh, mais aussi, il y a, comme il a dit, le constitution de l'État. Maintenant, en fait, qu'est-ce que le SDG a fait? Parce qu'en fait, le courrier dit que, à, à, Paris, ces gens se sont retrouvés, en tout cas, avec les patrons de pour poser des conditions que effectivement nous sommes prêts à faire payer l'État, mais voilà notre condition. Donc c'est assez grave comme, comme, comme, comme, accusation. Je pense qu'il est encore temps, effectivement, qu'on sache véritablement, euh, qu'on dise aux Nigériens qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, sanctionner les gens qui, ont failli. Une minute pour les responsabilités. moi, je pense qu'au-delà de toutes les responsabilités, que ce soit l'ancien ministre de l'Intérieur, que ce soit le SGG, que ce soit autre personne, je pense qu'on a comme l'impression qu'il n'y a pas un, chef dans, dans, dans le bateau. Où est le président de la République pendant que tout cela se passe il faut se poser cette question. Ça veut dire que ou on ne lui fait pas, on, ne lui rend pas compte de ce qui se passe. Mais c'est une affaire de 2012 qui ne date pas d'aujourd'hui. 2012, qui est président de la République C'est le même président qui est là. Aujourd'hui encore, mais rien que ce matin, il y a d'autres affaires qui, sortent. Cela prouve que tout comme on dit, il y, a un laisse guidon qui est là mhm. et personne ne sait qui gère le bateau Niger. Aujourd'hui, c'est des affaires en affaires qui sont euh, révélées par la presse où est-ce qu'on va Moi, euh, euh, je, commence à avoir peur pour ce pays, je commence à avoir peur pour ce régime. Quand, comme l'a dit Ouseni et le grand frère, on n'arrive pas à, gérer l'éducation, quand on n'arrive pas à payer les agents de collectivité, quand des petits problèmes, on ne peut pas les régler et on parle des affaires de 80 milliards, de francs CFA, c'est beaucoup quand même. Vous vous rendez compte dans un pays, un, pays eh, dernier en indice du développement humain, regardez ce qui se passe ici en, Roumanie pour une loi qui a été eh, changée par un ministre de la Justice, comment le peuple est sorti pour se mobiliser et dire non qu'il n'est pas d'accord, il faut qu'on retire ça. Le ministre qui démissionne, mais les gens ne, eh, ne pas encore à la maison. Alors, la dernière affaire, la dernière nouvelle, c'est que l'affaire est devant le tribunal français et qui va trancher l'affaire, euh, qui va rendre son verdict le 14 mars prochain. Mais ce, qui, est, peut est grave dans hein, ça, c'est que chaque, on va, ça. Oui, rapidement chaque année, c'est 13% de, de dommages qu'il faut payer. Vous vous rendez compte Parce que le Niger n'a pas respecté. le Niger n'a pas respecté. Il faut payer 13% de, du, montant. Ça veut dire que chaque année, l'argent que le Niger doit payer augmente. Qui va le payer mais on peut s'attendre à ce que la justice tranche en faveur du Niger Ça va prendre du temps, selon les juristes. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que dans ces pays, les pays occidentaux, c'est que la justice n'est pas assujettie à l'exécutif. Mhm. Ils ont déjà fait, ils ont déjà tranché une première fois, il n'est pas évident. Ce n'est pas une question, parce que quand j'ai entendu dire qu'il y en a qui ne sont pas patriotes, moi je veux savoir c'est quoi le patriote. Est-ce celui qui dénonce les travers de gestion ou celui qui tait les travers de gestion On va donner la non, parole à, euh, non, Suleiman. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. J'ai pris le train en marche. Mais j'ai dit quelque part, c'est qu'on ne doit pas, parce que moi j'étais de ce combat-là qu'on a mené pour que la gestion de l'État soit correcte. Il ne faut pas qu'aujourd'hui les mêmes gens, les mêmes gens avec qui on a fait le combat, viennent faire pire que les gens qu'ils avaient dénoncés. Parce que je sais les combats. C'est le sentiment que vous avez. Oui, bien sûr. Euh, merci pour ce commentaire. On va donner la parole à Suleiman pour euh, ce dernier euh. aspect-là. 80 milliards de francs CFA, c'est une grosse perte en ce temps de sécheresse financière. Maintenant, on attend la décision de la justice française euh, le 14 mars. Quel espoir vous avez Est-ce que ça va être toujours le désaveu euh, euh, J'ai suivi il y a deux jours sur Télé Sahel le directeur de contentieux, de, l'État, M. Zabaï. Et franchement, vraiment à l'entendre, c'était pas rassurant. J'ai comme l'impression que notre pays est en position de faiblesse. de l'autre côté, franchement, il faut vraiment s'inquiéter quel que soit le cas de figure, euh, en tout cas, euh, c'est vrai, ils ont dit qu'ils ont apporté de nouveaux éléments qui ont amené à faire le, le report. Mais quand on entend, on écoute les juristes, euh, c'est que, en réalité, comme je l'ai dit en amont, c'est que lorsque votre propre pays vous a condamné, on est parti ailleurs à l'extérieur. Franchement, c'est ça en fait le, le, hic, quoi. Mm. Au-delà de l'argent qu'on perd, c'est l'image du Niger qui est ternie sur le plan international. Mm. Lorsqu'on saisit les, les, biens et immobiliers, tout ce mm. qu'il y a sur le plan international aux États-Unis, en France, c'est l'image du Niger qui est cornée ici. Au-delà de l'argent. Nous allons nous en tenir à ça en attendant l'évolution de l'affaire. Et on va observer une courte pause. Voilà, le deuxième aspect de ce forum de la presse, euh, c'est le jugement sur le fond de l'affaire dite de trafic de bébés importés prévu euh, le 13 février dernier et qui a été finalement reporté au 13 mars prochain. Ce sont les avocats de la défense qui ont formulé cette demande de report. Cette affaire, il faut le redire, implique des personnalités politiques comme euh, le chef de, file de l'opposition, Ham Amadou. Je vous propose d'expliquer, d'écouter Maître Kadri Ali, Ali Kadri, un des avocats de la défense, qui explique pourquoi ils ont demandé ce report nous avons estimé que nous ne sommes pas entrés en possession des réquisitions écrites du procureur. Vous savez que lorsque le procureur entend verser des réquisitions écrites au dossier, il est du droit à ce que les défenses puissent avoir connaissance de ces réquisitions écrites. C'est un droit fondamental de la défense. Donc euh, nous ne sommes pas en possession de ces réquisitions écrites. Ce n'est pas du dilatoire parce que nous nous sommes véritablement prêts parce que nous avons pris nous des conclusions écrites. Nous sommes en possession de nos éléments. Mais vous savez, un dossier pénal, ça se prépare. On ne veut pas être surpris des arguments qui n'ont pas été préalablement discutés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il va falloir envoyer le dossier parce que nous ne voulons pas être surpris par des arguments dont nous n'avons pas encore discuté dans nos conclusions. Parce qu'un procès, il y a le principe de loyauté. Les parties doivent être en possession, chacun, non seulement des pièces du dossier, mais des arguments. Maître Ali Kadri, un des avocats de la défense dans l'affaire dite de trafic de bébés importés, qui aurait dû, euh, dont le jugement aurait dû avoir le 13 février, qui est finalement reporté au 13 mars, 13 mars prochain. Ousseini, vous venez d'écouter l'avocat, un des avocats de la défense. Euh, le procès, bon, l'affaire revient. On s'en souvient, ça fait quelques années déjà, depuis 2013. Alors, est-ce que c'est l'évolution normale ou bien c'est autre chose qu'il faut donner à ça Je ne sais pas cette coïncidence-là. Vraiment. Une coïncidence. avec quel événement Cette coïncidence avec toutes ces affaires qui sont révélées et on ramène un dossier où moi je ne vois pas en quoi, où se trouve l'intérêt du Niger. On a vu Il y a des gens qui sont impliqués. Oui, des gens sont impliqués, d'accord. Mais on a vu des acteurs politiques, des acteurs du gouvernement s'impliquer activement. Il y a eu beaucoup de communication autour de ce dossier. Voilà des dossiers plus importants qui sont là aujourd'hui. Mais malheureusement, malheureusement, on fait comme si ces dossiers ne sont pas plus importants. Pendant au moment où on met des, des, enseignants, on veut mettre des enseignants dehors. On, nous allons y revenir. Ok, d'accord. mais je vais dire une chose. C'est de son bon droit. En tant qu'avocat, il connaît les procédures. Hmm. Quand on convoque, c'est que les réquisitoires doivent être transmis ou transmis plutôt, Avant le jugement. Avant le jugement, pour qu'ils puissent organiser leur défense. On ne peut pas convoquer et puis dire, bon, venez, nous allons discuter. Parce que moi, de tout temps, je considère cette affaire comme de la diversion. Il y avait un objectif à atteindre. Mhm. C'est un objectif. oui, euh, bien Comment, c'est quel objectif moi, Non, l'objectif à atteindre, c'est qu'il fallait créer les conditions pour que les gens. Et aujourd'hui, ça rattrape. Ça rattrape. Comment J'ai pas bien compris. En quoi ça rattrape On en a fait cette affaire-là. Il y en a même qui ont organisé des marches. Moi, je considère que par rapport, à lui, il est là, il peut me contredire. Il va, il va, il va parler, il va dire son point de vue. Il peut me contredire, mais il peut, il peut, il peut, ou bien il peut confirmer ce que j'ai dit. L'enfant de quelqu'un là, on ne va pas le mettre sur un plateau. D'abord, on n'a même pas regardé mais le des tout cela, mais quand même, c'est une affaire qui est en justice. Oui, c'est en justice, mais on en a fait quoi Non, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on a vu l'affaire, c'est que ça a donné, on a vu la gestion qui a été de cette affaire. C'est bien compris, Ouseni. Euh, je pense l'avocat a parlé. Est-ce que pour vous, c'est l'évolution normale du dossier Au-delà de, au de, de, tout juridisme euh, normal qu'il a, moi, je pense que cette affaire n'a que trop duré. Non seulement elle a salué le Niger, mm. un, deux, on a atteint le but qui lui a été assigné. Le but qui lui a été assigné, c'était quoi C'était d'empêcher Hama d'être candidat. Moi, je ne suis pour euh, ni l'un ni pour l'autre. Mais le but a été atteint. Moi, je pense que trop c'est trop. Il faut finir avec cette affaire. Maintenant, voir autre chose pour le Niger, avec toutes ces révélations qui sont en train d'être euh, faites par la presse, donc, Comme pour Hussein, vous pensez qu'il faut mettre l'accent mm. sur d'autres affaires, comme Africard que euh, bébé importé Aujourd'hui, regardez cette affaire aussi qui vient d'être révélée. On ne sait pas encore si c'est vrai ou pas. Cette affaire de 200 milliards d'argent de, Areva qui aurait été virée eh, viré dans un compte. Vous voyez, à chaque jour, ce lot de révélations. Cette affaire de bébé importé, qui ça concerne c'est des personnalités politiques comme le chef de file de l'opposition. est que ça empêche aux Nigériens de vivre L'ancien ministre de, Est-ce que ça empêche aux Nigériens de vivre Aujourd'hui, où les Nigériens ont des difficultés à joindre les deux bouts, où les enseignants, où tout le monde a des difficultés à joindre les deux bouts, on nous parle des affaires de 80 milliards, des affaires de 200 milliards, et on nous ramène quelque part à une affaire de bébés importés. Bon sang, on s'en fout des bébés. Comme une diversion. vraiment, on s'en fout des bébés emportés. C'est une, la diversion. On va donner la parole à Hélène Soleiman du Républicain. Et eh, franchement, vous avez écouté l'avocat, ce n'est pas certainement euh, votre avis. Je ne suis pas sur la langue longueur journal que, mes confrères, pour la simple et bonne raison que, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est une affaire de mœurs et leur préoccupation sur laquelle il y a ce dossier plus important. Je pense que, même, ne l'oublions pas, l'opération Meboula, en tout cas, elle est en train de sévir. Nous allons maintenant, justement, uh-huh. maintenant, c'est de nous prouver la volonté, la volonté, surtout avec ceux qui viennent de, aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne les affaires des bébés importés, il a dit vraiment, euh, on a perdu assez de temps. Euh, il y a question, vous, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, quand euh, même, avec simple ADN, on aurait réglé la, la, la question. Mais par rapport à, en tout cas, au, procès de, Thérèse qui a été reporté, euh, j'ai constaté simplement que, ça a été reporté. C'est l'évolution de la justice. C'est une question protocolaire. Dire que le fait euh, de ne pas amener la convocation Chiham Mohamed ici à, à, Paris plutôt, à son domicile parisien, au lieu de, de, de, ici des arguments Ensuite, de, le fait qu'il n'ait pas donc, euh, reçu l'élection du procureur, c'est tout à fait protocolaire. Donc c'est euh, un peu la, police du, du, du, procès. C'est tout à fait normal. Et la preuve, effectivement, ça, ça, a été accepté le report justement. Mais je considère en tout cas pour aussi avoir suivi se décider dans, son processus, effectivement, il dit que c'est du dilatoire. Parce qu'effectivement, nous le savons avec les arguments, avec les arguments que, effectivement, les avocats, en tout cas de la défense, ont fait obstruction pour qu'il y, que que ait procès en temps réel. Donc c'est eux qui font du dilatoire. Ça, c'est un fait. Je dis encore une fois que ce n'est pas une affaire En tant que musulman, la question de la filiation même le prophète, euh, Dieu lui a interdit effectivement de, donner son nom, d'associer son nom à, quelqu'un d'autre. L'affaire de Zayd euh, ibn Haritha est connue des musulmans. Il y a un verset qui a été descendu par rapport à la question. Parce que simplement, Dieu a fait que c'est sacré la filiation c'est élevé au rang de grands péchés le fait effectivement d'attribuer à une femme ou bien à un homme un enfant qui ne lui appartient pas. Ici, dans le cas d'espèce, effectivement, vraiment, vraiment on la, euh, les gens le disent. Nous sommes dans le domaine du droit positif, l'affaire est en Non, en, encore, nous sommes des Nigériens, nous sommes avant tout des musulmans. Aujourd'hui, il y a beaucoup effectivement qui ne peuvent pas accepter effectivement parce que vous avez de l'argent, vous allez acheter des enfants. Mais où est-ce qu'on va Ça, c'est vous qui le dites. Jusqu'à présent, c'est pas pour Non, je parle en tout cas, ceux qui, ceux qui m'écoutent, en tout cas, savent qu'effectivement, je lui défends de cœur qu'en tout cas, en tant que musulman, c'est inacceptable ne pouvons pas accepter. Parce que les gens disent que souvent, en tout cas, que ces gens-là ont acheté des enfants, ils ont des moyens. Non, il y a une loi pour l'adoption. On sait comment on fait pour adopter. Mais ici, vous êtes allé en tout cas faire un truc. Et vraiment aussi sur l'aspect politique, j'ai dit que j'ai vu le jour la 28 personnes répondre. Il y a vraiment dans, ce groupe-là, peut-être trois ou, quatre personnes qui sont vraiment politiquement en fait affichées. Mais le reste, vraiment, c'est des. J'ai pas bien compris. On, on, dit que c'est une affaire politique. Oui. Je dis, dans tous les cas, moi, je suis à partir de position en tout cas politique, que la place des de, gens qui sont au pouvoir aussi, auraient profité. Donc, euh, ça, c'est une affaire politique, donc, je ne le dis pas. Je dis le, côté politique, effectivement, c'est ici, c'est une question tout simplement de circonstances. D'accord. bon. C'est une question de circonstances. Comment est-ce qu'il faut voir la fin de cette affaire Il a insinué que c'est une affaire politique. Moi, je pense aujourd'hui. Comment faut-il entrevoir la fin de cette affaire Dans tous les cas, il n'y a plus d'élection euh, en perspective dans un an ou dans deux ans qui vont empêcher ou, qui vont mettre aux prises Hamma à, à, à, quelqu'un. Imaginez qu'il n'y avait pas Hamma dans cette affaire. Moi, j'ai eu beaucoup de confidence, de, gens très, très, trop bien placés dans cette affaire. Mais ici, ce n'est pas le moment de le dire. J'ai eu beaucoup de confidence. Et c'est fait. C'est vrai, il y a l'affaire. L'affaire, elle est là. Elle existe, tout le monde le sait mais c'est parce que c'était Hama. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas. Puisque maintenant, quand vous partez même au tribunal, on dit l'affaire qui oppose Hama à un autre. Donc, c'est des opinions. C'est ça qu'on dit. Aujourd'hui, lui-même, euh, Allah justement disait que Hama n'était pas là que Hama allait profiter s'il avait été, si il avait été à leur place. C'est pour dire que. en France, en France, là où se trouve Hama Amadou, quand l'affaire François vient, de se gérer, il a dit immédiatement il faut qu'il soit écouté par la justice. C'est ça, en fait. on ne fait pas la justice. On, fait face à la justice en France. On est entièrement d'accord. Est-ce que vous pensez que la justice. Mais finalement, moi, je bien savoir. Il parle de la, finalité. Où est-ce qu'on va. Quand est-ce qu'on va en finir On ne sait pas. Qui peut dire quand est-ce que l'affaire va finir Personne ne le sait. est-ce que c'est votre avis On va en finir tout de suite. Je ne sais pas à quel moment ça va finir parce que j'ai comme l'impression que c'est, comme avait dit, c'est un épouvantail. Un épouvantail pour moi, c'est ça. Je n'ai pas bien compris. C'est quoi C'est-à-dire, voilà une affaire qu'on agite pendant des années où des ministres se sont déplacés avec les frais de l'État pour aller communiquer jusqu'à Paris, mhm. en France. Dans une affaire, moi j'ai dit, aujourd'hui, le débat, qui se passe avec Fillon, le débat qui se passe et la justice en France n'est pas la justice ici. La justice aux États-Unis n'est pas la justice ici. Ici, la justice est... Ici, la justice est sous coupe réglée. De qui Mais non, mais l'exécutif, moi, je l'ai écrit il faut aller prendre. Euh, je l'ai euh, écrit dans euh, l'enquêteur. D'accord. Euh, faut pour finir, la, justice, comment vous voyez la, fin de cette affaire Mais cette fois-ci, il rien à faire. Le jugement, au fond, est inévitable parce que simplement la Cour de cassation a fait injonction. On doit effectivement, en réalité, maintenant. J'étais le jour à la, Cour de cassation. Donc le juge a donné. C'est un mois qu'il a donné, mais dans tous les cas le jugement au fond va se faire. Donc cela revient à maintenant, le 14. Mhm. On va vraiment voir, parce qu'en réalité aussi, l'autre aspect, c'est que les Nigériens veulent effectivement savoir la vérité de ce qui s'est passé. Donc, on a tendance à minimiser. On, a tendance à minimiser, effectivement, arrêter aujourd'hui. Entre nous, est-ce que les Nigériens ont besoin de savoir cette affaire, la vérité sur cette quand même, ça a la mais, mais absolument. des personnalités politiques. Absolument. Le chef de file de euh, l'opposition. L'avocat l'a dit, c'est un débat contradictoire. Donc, à chacun, effectivement, de prouver son innocence en première instance, les autres instance, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le juge a dit que lui, il ne peut pas se prononcer, il s'est dessaisi parce que tout simplement, il faut juger l'affaire en civil. C'est ce que la loi nigérienne dit. Quand il y a question de filiation, c'est que ça doit être jugé en civil d'abord. Maintenant, le côté pénal. Ici, ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est l'aspect pénal. Non, mais l'aspect pénal, il faut d'abord prouver que ceux-là qui sont poursuivis, sans parti pris, ce qu'effectivement, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils l'ont posé, l'acte. Mais maintenant, il faut d'abord prouver que les enfants n'appartiennent pas à ces gens. Mais maintenant, qui doit le prouver C'est d'abord la justice. Ce n'est pas, les, les accusés. C'est la justice. On va considérer. Alors, on va prendre une petite pause pour parler d'autres choses. La suite de ce forum avec l'opération Meboulala ou la cravache, si vous voulez, ou la lutte contre la corruption entreprise par le président de la République, c'est la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Alcia et d'autres institutions comme les inspections d'État qui sont au devant euh, de cette opération. C'est elle qui enquête et c'est elle qui transmet actuellement les dossiers à la justice. Et selon le journal La Roue de l'Histoire, euh, datant du 15 février, hier, euh, avant-hier, j'allais dire, quelques 400 dossiers ont été ficelés et déposés au bureau du procureur de la République. Alors, je vais donner la parole à mes invités et je commence par Roufaï. 400 dossiers, la lutte contre la corruption. Et il y a eu des arrestations. Euh, certains sont en prison depuis décembre, si j'ai bonne mémoire. Mhm. Euh, certains ont payé. Et là, on parle de 400 dossiers. Donc, l'affaire suit son cours. Est-ce que à ce stade, vous estimez que l'opération est réellement continue Je vais juste faire une comparaison. Au Nigeria, une ancienne ministre euh, du du régime au Nigeria est condamné à, payer 140 millions de dollars, je crois, ou 140 millions de pour avoir été corrompu dans des affaires. Ici au Niger, on nous parle de 400 dossiers, selon le journal, de l'histoire. On nous parle de dizaines ou de, plus de 200 personnes qui ont été interpellées à la PJ, mais qu'est-ce qu'on a eu 500 millions de francs CFA c'est le procureur qui l'avait dit, je crois, au cours d'un point de presse. Actuellement, qu'est-ce que vous en savez combien qui sont en prison Et euh, quelles sont les affaires Moi, c'est ce que je veux dire, l'opération Meboura si c'est pour avoir 500 millions, c'est pour avoir 500 millions de francs CFA, alors qu'il y a. C'est pour ça que moi je pense que tout ce qui s'est fait, on veut divertir les Nigériens pour les empêcher de passer à d'autres mots, à d'autres problèmes qui minent le pays. mais vous, tout de suite, vous parlez de l'affaire africaine qu'il faut éclairer. Ça aussi, c'est des affaires qu'il faut éclairer. Je suis entièrement d'accord. Lorsque quelqu'un vole dans le pays, d'abord, tout à l'heure, Alain Suleiman parle de, du pénal et du civil. On ne peut pas vous, vous interpeller à la PJ. On vous dit de payer ce que vous avez pris et on vous libère. Alors, et tous ceux qui sont en prison, les voleurs, par exemple, de, de, de, chèvres, de, vaches, eux, ils sont en prison et ils font des mois ou des années. Alors que si on, va faire juste une petite caricature. Lorsque moi, je sais qu'en volant 100 millions de francs CFA dans mon pays, un an ou deux ans après, on va m'appeler pour me dire, Rufai, restitue les 100 millions et tu es libre. Ou bien tu es à liberté provisoire. Mais je vais voler. Maintenant, je vais essayer de fructifier cet argent. Et quand on m'appelle. Est-ce que vous croyez à la sincérité de l'opération Moi, euh, excuse-moi, je vais finir dans, quelques secondes. Même tout à l'heure, la parole de la religion. Même en islam, tout ce qui sera issu de ces 100 millions-là. Qui n'est pas bon pour l'argent sale. Vous voyez, donc lorsque vous payez les 100 millions-là, ça ne sert à rien. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne crois pas cette opération parce qu'il y a des dossiers plus importants, il y a des personnes plus importantes, il y a des députés qui, à qui on a eh, enlevé eh, l'immunité pour le suivre aujourd'hui qui sont ministres ou députés. Il y a des grosses personnalités qui ont volé beaucoup d'argent et qui narguent le peuple et qu'on ne touche pas. C'est en ce sens que je ne crois pas à l'opération Meboulala. Euh, ne croit pas, peut-être c'est vous, vous croyez à cette opération Meboulala je crois il y a deux semaines, je ne sais pas. 400 dossiers qui sont au non, du gouvernement. Non, non, moi c'est une question de simple. Moi c'est l'exécutif parce que Tout à l'heure, je voulais faire la comparaison, vous m'avez arrêté. Pour une affaire de 500 millions, 500 millions. Non, je vais faire la comparaison pour que les gens comprennent ce qui se passe. Les mêmes gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, pour 500 millions, ils, ils sont allés jusqu'à déposer des motions de censure contre le gouvernement. Aujourd'hui, c'est des affaires de milliards qui sont dans le pipeline. Oui. Mais malheureusement. Vous parlez, du fondateur de la presse Le euh, fondateur de la euh, presse, je, me rappelle, je me rappelle, pour 100 millions, de francs CFA, je croyais à l'époque que quelqu'un même voulait payer. On a dit non, il faut que le monsieur aille en prison. Il allait en prison. Mhm. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'on me dise que tu viens payer et tu es libre ou oh, tu es en liberté provisoire. Non. Oui, à l'heure actuelle. À l'heure actuellement, moi, moi, je dis, non, d'abord, même les, moi, je ne suis pas convaincu qu'il y ait 400 ou 500 dossiers. Mais il y a des gros d'accord, mais ces dossiers-là représentent quoi par rapport à ce qu'on est en train aujourd'hui de risquer Comme. Euh, mais, comme perte de, ressources, mhm. de recettes ou de ressources financières. Moi, Oh, qu'on explique, parce que quand le journal a parlé, il a cité les dossiers qui sont aujourd'hui dans le pipeline. Oui. Il les a cités. Il y a combien de dossiers C'est quoi les dossiers Bon, j'ai recensé quelques 400 dossiers. Ok, d'accord. Mais 400 dossiers, c'est quoi Il faut me donner des exemples de dossiers où c'est important d'embêter. parce que tout simplement, voilà des affaires qui sont encore fumantes des affaires vraiment où. Lesquelles euh, Deux, trois, et qui ne sont pas comparables à ça L'affaire de l'avion, c'est un problème qui a été soulevé ici. L'affaire Africa, où déjà, par leur laxisme et leur irresponsabilité, sont en train de créer les conditions de compromission de biens qu'ils n'ont pas achetés. C'est des biens de l'État, c'est des agents non, mais, de l'État. Non, mais c'est des agents de l'État, ils n'ont pas le droit de ah, compromettre. Ils sont venus pour servir l'État et s'en aller comme d'autres avant eux on fait le même travail. Donc on retient, Ousseini, que vous n'y croyez pas. Moi, j'attends de voir les résultats. D'accord. Est-ce que vous croyez au stade actuel à l'opération euh, Je dois dire que, franchement, le président de la République euh, a davantage à convaincre les Nigériens de sa volonté politique à aller jusqu'au bout. Euh, mais avant de dire euh, précisément ce que je pense de la question, je dois dire que quand même, il faut constater que la loi a évolué, avant la loi de 96, vous pouvez même payer une partie de ce que vous avez volé ou détourné et avoir la liberté Mais la loi de 96 euh, oblige en tout cas à ce que d'abord, pour avoir la liberté, il faut payer l'intégralité de ce que vous, avez dissipé ou, volé. Ça, c'est une, évolution. Et la liberté provisoire, vraiment, même si, sous nos yeux, en tout cas, ça tendance à être une liberté totale, en ce n'est pas que tout, tout s'est arrêté. Euh, donc, euh, vraiment, euh, ce que comme euh, nous avons reçu cette semaine-là au républicain Mama Wada de, Transparency, International Niger, donc, qui dit, en tout cas, leur constat, c'est qu'aujourd'hui, au, regard de, de, des obédiences, par exemple, de l'affaire actuellement Mboula, là, ça concerne des opposants, des gens de partout au pouvoir, des alliés. Donc, c'est un aspect qui fait que véritablement, qui doit rassurer les Nigériens, en tout cas lorsqu'effectivement on frappe les gens, qu'il n'y ait pas de poids de mesure. Ça, c'est la première, en tout cas, garantie Donc, une opération pour les, en tout cas, quel que soit le rang ou le grade de la personne qui est impliquée, il faut qu'elle soit frappée. Et c'est le cas. Bon, j'ai dit pour le moment, en tout cas, compte tenu des gros dossiers, en tout cas, qui sont en suspens, le président, en tout cas, doit davantage convaincre les Nigériens de sa volonté politique. il reste beaucoup Parce que c'est l'élément le plus important. Il reste, beaucoup à faire. par exemple, aujourd'hui, mhm. la fois que le, courrier vient de, soulever les 200 milliards, on voudrait vraiment savoir. voilà, moi, ce que ce qui se passe ailleurs, dans les pays vraiment organisés, en tout cas, dès qu'il y a un scandale, le réflexe de l'autorité ou bien de la personne en cause, c'est de venir vraiment euh, s'expliquer. Euh, Parce que franchement, un gouvernement, euh, on vient vous dire que, par exemple, 200 euh, milliards ont été en tout cas euh, donc versés. on ne peut pas faire vraiment 40, en tout cas 18 heures ça euh, sans avoir vraiment une élection. Ça, franchement, eh, eh, c'est une défaillance de la communication. moi, pourquoi je ne crois pas encore à l'opération Meboulala Tout à l'heure, on a parlé de, de l'affaire de BM importé. C'est un journal qui l'a révélé. Le, procureur s'est autosaisi. Vous, vous, vous, vous rappelez de l'affaire de, de, de, fraude aux examens où on a arrêté des gens euh, euh, C'est un journal qui l'a révélé. Le procureur a fait fi sur ça. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le procureur est assis sur des dizaines, des centaines de dossiers. Euh, sur lesquels on, on, ne revient pas. C'est Bien compris. Alors, on va, on va prendre un secteur pour illustrer peut-être ce problème de corruption. C'est ce que je veux dire. On va prendre un secteur. que je suis en train de dire. En 2005, déjà, on a vu des ministres aller en prison. Harry Ibrahim et, l'autre, c'est des ministres du ah, gouvernement par rapport à l'affaire Meba. Ils ont allé en prison, ils ont purgé des peines. Et c'est des affaires où, bon, ça a été relevé par un média. Et ça a fini par les emporter. Non. Ah, nous allons prendre un secteur, euh, le secteur de <laughs> l'éducation, pour illustrer en quelques, en quelques temps. Euh, tout ce qui passe un peu, on, parle d'arrestation d'enseignants pour possession de faux diplômes et tout récemment, euh, la, direction régionale de l'enseignement avec euh, une inspection qui est en cours au niveau des établissements de l'enseignement public en vue de démasquer et chasser les scolaires en situation irrégulière. C'est des cas de fraude, si on peut l'appeler. Et je vous propose de suivre en quelques secondes le directeur de l'enseignement secondaire pour avoir une idée de ce qui se passe euh, là-bas. Il y a plusieurs manières que ces fraudeurs ont utilisées. Il y en a qui imitent carrément les signatures de nos agents chargés de faire les transferts au niveau des DDS et des inspections pour avoir des transferts et aller s'inscrire au niveau de certains établissements. Et on est en train de les chasser. On a déniché beaucoup. Je prends ce qui fait la vague aujourd'hui, c'est le lycée Cassé. On a trouvé des centaines rien qu'en terminale. Et l'établissement est en train de se vider parce qu'il faut les faire partir. Dès lors qu'on a fait partir même des responsables qu'on a soupçonnés appartenir à ces réseaux où tu n'as pas été assez vigilant pour contrôler leurs effectifs. Ces élèves candidats, avant même qu'il n'y ait la clôture, on les a tous invités. Un message est passé au niveau de l'ensemble des établissements pour qu'ils aillent s'inscrire comme candidats libres. Donc il y en a qui ont accepté, qui sont partis d'eux-mêmes s'inscrire comme candidats libres. Et la situation du BPC aussi en train d'arriver. On les a invités à préparer leur dossier pour venir le déposer en tant que candidat libre. Et nous allons fouiller dans les listes pour que tous ceux qui sont irréguliers, qui n'ont pas un papier en bonne et due forme, ils ne se présenteront pas comme candidats officiels. C'est juste un exemple illustratif. Ousseini, est-ce que dans le secteur de l'éducation, et affaire de faux diplômes, il y a quand même quelques volontés Vous allez, euh, de votre point de vue, conclure rapidement. Non, conclure comment sauver le moi, je veux dire, c'est un secteur qui est gangréné. Et moi, j'ai dénoncé, je n'ai pas eu de cesse de dénoncer. Le secteur est gangréné depuis pratiquement 90. Parce que tout simplement, on a créé le conditions pour que l'école meure. Qui Mais ceux qui sont passés au pouvoir successivement, ils ont créé les conditions pour que l'école meure. Parce qu'on a créé les conditions pour qu'il n'y ait pas d'enseignants compétents pour enseigner. On a créé les conditions, on a politisé l'école. À partir du moment où l'école est politisée, il ne faut pas être surpris qu'il y ait des gens, parce que ceux qui peuvent faire ces genres de démarches-là, ceux qui ont des parents et ils sont positionnés. Ils sont positionnés dans les systèmes. Et ça fait que. Il y a, des gens qui sont révoqués, c'est une volonté. Oui, mais non, mais où est la volonté On euh, peut révoquer, mais après, qu'est-ce qui va se passer Vous êtes très sceptique. Vous non, mais moi, je suis sceptique. Euh, Rufai, pour conclure rapidement. Lorsque Chirac était venu au Niger, quand il regardait la jeunesse, il dit que la jeunesse nigérienne est une bombe à retardement. Aujourd'hui, je pense que c'est le Niger qui est devenu une bombe à retardement, tellement qu'il y a des dossiers qui, si, si ça explose, et ça va emporter eh, tout le monde. Je me rappelle, dans ce pays, on a même fait comprendre que l'actuel haut représentant du président de la République avait fait des faux diplômes. Vous vous rappelez, non On dit qu'il a des faux diplômes pour, pour accéder au, poste qu'il a. Aujourd'hui, on dit euh, on sanctionne des gens parce que c'est des petites gens. C'est des petites gens qui sont sanctionnés Bien sûr. Vous pensez que, eh, les, vrais responsables sont... Secondo, on dit qu'il faut faire eh, des dictées, des concours des dictées, des concours de... L'évaluation, pour une mise à niveau, oui. Bon ça, il faut évaluer les ministres, si vous voulez. On fait dicter aux ministres de la République pour voir. Vous verrez que sur, on les, sur, ça, C'est une autre façon de voir verrez que sur les 40 ministres, euh, il n'y aura pas 5 qui auront 5 euh, sur 20. C'est pour vous dire, la dictée, la dictée n'est pas un signe d'appréciation de la qualité, pour moi, personnellement, d'un enseignant. C'est bien compris. Euh, seulement non conclu. rapidement, c'est que par rapport au volet des, des, faux diplômes, vraiment, je pense que la sanction, au-delà même de chasser les gens, il faut sanctionner euh, jusqu'à, en tout cas, les responsables des établissements doivent. En fait, l'exemple, c'est vraiment la, ça, en fait. Pour prévenir, il faut des actions exemplaires. Mais comme l'a dit Issa, vraiment, sur la question de l'école, euh, hmm. plus que les politiques, euh, moi, j'avais dans une analyse euh, dit arrêtée c'était un échec programmé par les barres de fonds qui ont imposé hmm. ces mesures-là. Oui, oui. J'ai dit, vous voyez d'autres responsables. Absolument, parce que ça a été programmé. On a dit aux gens, il faut avoir des contractions. Au lieu des enseignants. On a renvoyé à la retraite anticipée les, enseignants de carrière. On a fait de double flux. Franchement, c'était programmé cette situation pour par les bois de qui ont reconnu justement leur échec. Merci pour ce point de vue, euh, vraiment. Une dernière réaction, c'est que je veux dire, les bailleurs de fonds, ils ne peuvent pas vous imposer. Quand vous dites non, vous dites non. Oui, mais d'accord, mais il y en a qui ont abandonné. Il y en a qui ont. C'est une autre problématique, peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre. En tout cas, merci d'être venu pour ce forum de ce vendredi. Nous avons eu comme invité Alaj Suleiman Mamadou, journaliste au journal Le Républicain, Rufai Dandoua, euh, journaliste à la télévision Liptako, et Hussein Issa, qui est journaliste indépendant. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée.